messieurs, bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk ya xarit TV. Alors ñu les di nuyu di leen ziar lu bari bari ci samedi ji bien sûr votre émission euh, donc tour de table émission politique euh, siwaat na euh, fait Lugare TV et toujours on parle politique avec bien sûr ces partis euh, politiques et nga xamni ils font l'actualité aujourd'hui au Sénégal dans la lande, nos politique et bien sûr quoi wax Nak, di nga xel bu baax le Parti démocratique sénégalais bien vrai que c'est un parti euh, dans lequel on euh, distingue ces jours-ci, en tout cas ces temps-ci, beaucoup, beaucoup de frustration, pour ne pas dire beaucoup de départs. Ça fait un peu tache d'huile, hein, il faut le dire aussi. Euh, voilà, la raison pour laquelle, en évité, on a monsieur le professeur Kalfa Djara, ça va vous renvoyer à quelque chose. Il fait partie de ces quatre du parti. C'est le recteur de l'université du panel politique, éthique et morale le responsable politique du PDS à voilà un mot on l'a comme euh, présenté puisqu'il renferme euh, bien même il a beaucoup beaucoup de casquettes euh, donc dans le Parti démocratique sénégalais alors M. Diarra nous sommes venus dans plateau autour de table. Marie di la gërëm di sant di sant technicien équipe yi nga andal di sant borom kër yi mm. di leen ñaanal nag yokk ba yëkk. amiin si darajee Mouhamed. di leen baalu. Mm-hmm. ci sama tur. Mm-hmm. ci turu panel politique éthique et morale. Mm-hmm. ci turu njabootu Ablaye Wade gi yëpp. di leen ñaanal yokk ba yëkk. macha allah macha allah tey góor national non lañ koy woy di sama mam mo sopp ko lol comment est-ce qu'il se porte. à merveille, alhamdoulilah. Hmm. Il se porte à merveille, hmm. D'accord, il est ici au Sénégal Absolument, il est au Sénégal. Hmm. D'accord. Bon, je, vois que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas bavard du tout, mais bon, euh, Parti démocratique sénégalais, euh, beaucoup de détails. Euh, parce que c'est un parti, euh, ça fait partie des, des, organisations politiques anciennes, pour ne pas dire la plus ancienne du Sénégal. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est Karim Wad, bien sûr. donc, son retour ici au Sénégal, avec les L'Angole. Langol euh, voilà il a été extrait du Sénégal direction le Qatar depuis lors des questions qui tournent autour de sa venue alors on parle de hmm, d'amnistie euh, il n'a pas été amnistié alors Karim Wade euh, il prépare sa venue ici pour participer au prochain présidentiel. absolument soxna Marie gis nga vous une lecture en tout cas

koko ko hamne xam ni Karim ngi ci yoonu ñew ci biir parti bi ñu ngi koy préparé ak mot d'ordre bi nga xam bayam mom lañ joxone ni leen danaa leen delloo pouvoir waaye nak mu jox ñu viatique viatique mooy yóbbal. Hmm. dama bëgg ngeen massifier ngeen mobiliser ngeen organiser pour préparer le retour triomphal mais ce n'est mais c'est pas aujourd'hui seulement qu'il va revenir déglu n'est euh, c'est pas en tout cas une presse euh, tout le temps on a reçu des alertes qu'on croit que Karim va revenir, venir mais il n'a pas fait signe de vie à part que la dernière image c'était euh, au Qatar lorsque les les Lions voilà jouaient au foot alors depuis lors il n'a pas fait signe de vie pas d'audio ni de vidéo Je xam que Karim mi ngi waxal ñu wara war a waxal. Hmm. oui Karim mi waxal ña wara waxal xam nga déficit de communication fu mu am rek blocage day am. bien sûr. Euh, wolof day wax picc yu naaw sax fu riir bi neex dañuy yëgoo. Hmm. Karim mi ngi yëgoog ñi mu war a yëgool. Hmm. waaye Karim warut a mën a waxal PDS nous sommes combien d'âmes Karim est-ce que ku nekk la war a mën a waxal waaye ma ngay waxal ña mu war a waxal ñooñu aussi ñu ngi wàcce la ñu war a wax. en responsable. mais mënut wax à tout, beau, euh, à, tout bout de chemin car il ma ngay yónnee audio En En fin de compte il devient vulgaire moo tax ñu koy wooyee boroom wax ju néew boroom jëf yu bare ay actes rek lay posé politique kenn fàtt mais jusqu'ici ban acte politique de fi poser à part que euh, ben, voilà euh, à moins de l'amnistie euh, mënul Bokoti, prochaine présidentielle bi monnaie d'après bataille. parce que c'est pas on n'a pas encore entendu Karim Ouad dire que il a besoin de révision de procès jusqu'ici ils sont chargés de com voilà le chargé de comme du Parti démocratique sénégalais Nafissatou Diallo Là, ñu Karim ne veut pas d'amnistie mais il vaut très bien qu'on révise son procès mais Karim par principe mais mon révision de procès le Monsor, un Diallo l'a dit et il est au-dessus de tout le monde commission rogatoire 28 institution juridique internationale blanc comme neige du kon Karim du moment di l'histoire a dit son mot l'histoire déjà a tranché dañ doon wax Karim moo def nii Karim moo def nii Karim nga dem nañ ba mu di àddina si yëpp seetal ka donc kon n'a pas pas. mais bu ko àddina seetalee te ba tey justice sénégalaise waxagul ni il est blanc comme neige aussi. mais attends attends justice sénégalaise c'est-à-dire xam nga tu sais Macky Sall déjà joxe na ay instructions am na benn conseil de ministre bu mu joxe bu mu joxe ay instructions legi mu la dégagé na balle bi jox aussi a fait son travail ñu delloo ko Makisal. Macky Sall léegi nag Macky Sall ma ni ko aaye Macky Sall def gymnastique mystico magico judiciaire religieux lay def ba génne Karim Wade mais mooy xam ñoo ko jëloon ay ba def ko déporté que yóbbu ñooy pexewaat ba delloo si. si yow yow gëm nga ne Macky Sall dina ko indi le président. non Macky Sall c'est-à-dire il est contraint il y a des circonstances logiques lay toll am na xam fiy toll c'est comme une patate chaude Là. Karim Wade patate chaude là, ci Macky Sall day toll foo xam ni loolu rek rec, moi on mën et nous sommes dans cette logique. Hmm. nous sommes dans cette logique. Hmm. D'accord, voilà, je rappelle, il y a bah, bah, dans votre euh, émission politique euh, tour de table aujourd'hui comme invité on a le professeur euh, Kalfa Djara, le recteur de l'université du panel politique éthique et morale du Parti démocratique sénégalais je rappelle également qu'il est le responsable du PDS à Diopol Derklé alors le Parti démocratique sénégalais on en parle un peu je le disais tantôt ni de bëri trop de départ parce que tu as eu, je dirais que pratiquement, euh, euh, voilà, le cerveau, euh, pour ne pas dire le, bon, Karim Wad ou bien même son père, à part ces deux-là, je suis vraiment ben kangam politique parce que pratiquement, cadre politique, yep, parce que le, le, le, ils sont frustrés. tu l'as dit ça encore, Karim, peut-être il parle peu, mais ils pour le préjudice le parti, parce que YouTuber, il s'attendait à voir voilà bien même à attendre son coup de fil pour lui pour dire que euh, voilà j'ai reçu le coup de fil du commando comme on dit. mais est-ce que c'est pas important de recevoir le coup de fil de Karim ou de ne pas recevoir le coup de fil de Karim c'est-à-dire euh, chacun je dis que chacun a quelque chose à faire. dans le parti. Chacun a une mission. Et j'ai l'habitude de le dire, si chacun fait ce qu'il a à faire, les vaches seront bien gardées. Chacun a une mission à faire. Par exemple, et je rectifie, je ne suis pas le principal responsable de Diopol Derclay. On est en train de renouveler nos instants, mais je fais partie des principaux responsables. D'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà. Mm-hmm. Vous êtes satisfait Bien sûr, allez-y. Mais, mais, mais bah, je ne suis pas encore satisfait, monsieur, monsieur Diara, parce que je vois que vous n'êtes pas trop bavard. Mais ça me questionne, mais pourquoi aussi am des précis Parce que Nena Karimouad, il ne parle pas beaucoup. qu'on a porté préjudice le Parti démocratique sénégalais. Parce que pas mal de frustration. on a vu le départ de Cherdian, on a vu le départ de euh, Baradoli, euh, Mbake, euh, les deux Doli. Hein. On a vu également le départ de, Maître Amadou euh, pour nous citer que cela, on a vu le départ de, euh, euh, comment il s'appelle encore, euh, Serine Baketia, Serine pas mal de ténors du parti, ils ont quitté Abdoulaye Wad, Pourquoi ouais, Non, écoutez, tous ceux qui ont débarqué comme ça, moi, je les conseille comme des militants alimentaires. Hein? Comme des ah militants ah alimentaires. Ah non, si, si, si, parce qu'ils ne trouvent plus le compte dans le parti. Ça ne les arrange plus. Il y a plus. Ce n'est plus la période de la prairie. Ils ont quitté la barque parce qu'il n'y a plus rien à la barque. Abdoulaye Wade est le seul qui est sorti euh, à la présence sans détenir des, millions. Il est parti avec des centaines de mille. Mais, mais on n'a pas, reçu cette information parce que tout comme moi, hein, euh, l'information euh, que nous recevoir, moi, dîner, voilà. Peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits du tout de la démarche de Karim Wade, la façon dont il veut gérer le parti, nous ouais, parce que, écoutez, à la façon de son papa, par ah, exemple. Non, non, non, non. c'est-à-dire, écoutez, Karim, il est jeune comme eux, c'est de la même génération. Ablaye Wade a été victime de plusieurs trahisons. Hmm. Et Koundobin Raïsa Mam, Bosséné le Nul Dao. Hmm. Karim, il a vécu, contrairement à ce que les gens pensent, Karim, très jeune, il a milité dans le parti. Très, en tant qu'élève, il faut beaucoup de rôle, d'observer. ray il a vu. Il a vu quoi ce qu'ils ont fait à son père. Je vous donne l'histoire du PDS. Je, ah, vous me, vous me, vous me, vous me, vous me sollicitez, vous me demandez hmm. euh, vraiment de faire un rappel historique du parti. Vous savez que a été victime du PDS. Les fondateurs du parti, je t'avais dit ça, que le PDS forme une histoire. Hmm. La naissance et le déploiement hmm. du PDS. Euh, depuis la naissance, il y avait un groupe d'intellectuels, dont Ablaïwad, Puritain, Faranjaï, d'autres, Booker Washington Sadji et d'autres. J'avais un groupe d'intellectuels, Famara Mane, mm -hmm. nous créons PDS. Créer PDS disséminé, mais Ablaye a l'habitude de le dire PDS de Sahara. gardons nous à nous dans dans Ici est préparé. C'est comme ça la vie. venu demain, créer parti venu ñuy daw maintenant euh, dans le processus de déploiement du parti Mmh. parti bi di dugal ay racines ay tentacules diko dougal à l'intérieur du Sénégal et um ailleurs parti bi commencé di dajé ay jafe-jafe yu bari. Mmh. waxuma la jafe-jafe xamni xam ne nos adversaires indi. Mmh. par exemple PDS ni mu commencé. Euh, je me rappelle de la bataille de Maka Koulibantan. Hmm. fekkewuma ko mais c'est les ma koy comme ñu hmm. mel le général Moïse Sall. Hmm. ñu mel ne ñoom Ablaye Faye ñuy wax may parce qu'à l'époque j'étais très jeune 19 ans 74. Et encore en ce moment, je n'étais pas PDS. Moi, j'ai commencé à être PDS en 1983. Je dis bataille de Maka Bantan, Bobo. Nous sommes puritains, nous sommes puritains et d'autres. Nous bataille, vous mettez, vous mettez, parce que Magui, nous sommes euh, dañ doon dagg ay gor taatu garab ëkk di dog mbedd yi pour Ablaye Wade ak cortège am bañ a dugg Màkka Koulibantang mm. ñun daan wax tonton makut mooy les nervis la mm. genre nervi yi d'aujourd'hui kon nervi yàgg na si àddina yàgg na yàgg na ci politique yàgg na ci politique mm. tonton makut yi amul luñ deful pour Ablaye Wade xeex ak Abla Ablaye Wade mu bañ dugg temps boobu mu am ay jàmbaar mm-hmm. yu mel na ñoom mooy sa saal ci ñu gënoon tuuti la ak euh, kuñ daan wax Assane Diop dañ ma ko nettali ci garde du corps il la waxoon. Mhm. Abdoulaye Wade bamu mu génnee feetalam di di Assane Diop mo jël tiit mak mag tonton Mako yi daw. Abdoulaye Wade mën a dugg Maka Koulibantang ndaysan euh, ñu ngi may nettali benn jigéen a ci nekkoon bu dëkk Grand Dakar buñu ñu daan wax Kouna Seck c'est une histoire. Mhm. waxuma jafé jafé bobu ñu dik 76. bataille Loro Loro c'est dans le département de Kébémer. Mhm.

tonton mako di toujours de top Ablaye Wade bu dul woon seen oto crever, car rapide dafa crevé. Mhm. kon lu ñaaw am. ñu mhm. bëgg faagaal Ablaye Wade ñu jóge fa dama lay wax rek ñu daw 76 congrès. Mhm. bañ dawé 76 ba tay PDS gi am ay départ de. ay départ ay trahison ñu daw 76 congrès ba. 76 congrès ba. Babacar Ba jadis ministre des finances. ba Kaolack la bok mu joxé ay ndigal lépp luy mat kaw la

yagna yagna gem naa gëm Abdoulaye Wade. ah Touba Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade Touba ko créé. dëgg la PDS Touba ko créé déggoo man la Gaynde mo moo dugal alalam. Hmm. xoolal bërki Dembo ndjay sen Sidi Maxtaar lu mu wax hmm. euh, Abdou Karim may Saad demal fulla yo bu demal ndam rek nga ci tok may mom may àggale. Hmm. légui bañu joggé ci bataille boobu y a une autre bataille Kaolack même dans le foot Lobat Fall déggoo turam. bien tu es jeune mais war nga ko dégg. Lobat Fall il fut député. Lobat Fall ndeysaan. ca dëkkam suba leen euh, pété mm-hmm. fuuta foofu xeex yooyu yëpp am na fa nga dem waalo mm-hmm. waalo mii mm-hmm. waalo li suñ mbooj da ngay dégg turu ñooñu mboojeen yooyu li suñ mbooj son frère foofu moom tam ci xex yooyu dóor bañ ko hospitaliser mhm. ñu dellu ci mhm. histoire un passé récent. Mhm. ñom ñom ñom ñom un passé récent. ñom Ousmane Ngom. débarqué dem yoonam. oui Idrissa sec débarqué dem yoonam. té dama lay wax benn affaire PDS moy suñu njig njiglaay. dëgg la barki Dembo ndjay tout Manga. barki démb mais mais mais mais mais comment ça. départ comment ça au contraire il s'est affaibli. Ah, je ne représente rien. moi je constitue un poids. yow ne ma T'es tey aujourd'hui on a nekk ci plateau bi il y a 10 ans tey suñ toogoon fii tey je vais les battre à plate couture. mais mais mais mais le parti a besoin de de massification le parti a besoin d'influence euh, ils sont influents sur le terrain politique parce que la la politique n'a pas seulement besoin de cadres pour débattre M. Hein, monsieur Diarra. Mm-hmm. je suis désolée. Mm-hmm. mais la politique a aussi besoin de ces hommes influents sur le terrain. pourquoi ces hommes sont influents vous savez qu'au Sénégal je vous ai parlé de bulletins alimentaires. si aujourd'hui j'étais de milliards ou de millions. Quand je sors, tout le monde me suit. Mais aujourd'hui, je suis le pauvre enseignant. J'ai des idées, des idées géniales. Mais c'est dommage. Les gens ne savent pas écouter, ne savent pas entendre. Mais ils savent écouter ce qui distribuent des milliards. Mais malheureusement, c'est comme ça que roule le Sénégal. Malheureusement, ça c'est les ce sont les politiciens Nous ñoo à ce que les sénégalais soient comme ça Nous ñoo di bëgg des voilà. madame vous avez dit les politiciens. vous savez toujours je discute euh, je ne suis pas compliqué. c'est pas mm. parce que je suis enseignant vous savez la politique. Mm. politicien il y a de la péjoration. les mm. politiciens. C'est ce qui se font la politique politicienne pour atteindre les objectif. Mm. Bon, ça, c'est un système machiavélique, quoi. La fin justifie les moyens. Mm. Mais nous, nous faisons de la politique pure. La politique, il y en a politique. La politique, mm. c'est gérer les hommes. À tout point de vue. Éducation, santé, habitat et tout. Voilà la politique. Ce qu'on est askan tu es leader politique. Ce que borom de hey, askan bi nga diriger lo def ci ñoom. Mm-hmm. yalla dañ ko waxante que ku diriger quoi donc la politique euh, dafa nekk euh, affaire bo xamni noble mais malheureusement on a prostitué. Mm-hmm. cette activité noble. Mm-hmm. c'est une science. c'est une science je fois je dis la politique est une science l'art de gérer les hommes. mais gérer lan gérer bo xamni da ngay suqali askan bi. à tout point de vue. mais ñee lan lañ koy def réussir. jox leen les miettes essayer de transformer le peuple en pauvre. Mais, mais, mais, mais ce, ce leader aussi, on a vu son règne, hein, parce que euh, Maître Abdoulaye Wade, il a... Euh, va, il a combien de milliardaires il a créé loolu laa la bëgg wax mais mais il. suit cette logique là doon wax Abdoulaye Wade dafa a di wax euh, euh, les les les les quatorze millions de Sénégalais naa leen am leen am am mais à travers moi je suis un leader Abdoulaye Wade ku mu mosal defal day. Abdoulaye Wade danaan def lu nga xamni protocole dañuy wax ki yo fo nekkoon nee nañ ma da nga Abdoulaye Wade il a toujours il a un sens de l'humain qui ne souffre d'aucune contestation. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, c'est, ça, c'est le militant euh, qui parle, le sympathisant. Alors, je rappelle, il y a TV dans votre émission politique. Euh, tour de table, comme invité ce matin, nous avons le professeur Kalfadjara et lui, bien sûr, le recteur de l'Université du panel politique, éthique et morale, responsable. Il fait partie des responsables politiques de d'Erclé, euh, Djupel. Alors, euh, nous, notre actualité, c'est vrai que le temps temps donc on n'aura pas beaucoup beaucoup de temps pour parler un peu de l'historique du parti démocratique sénégalais mais té actualité politique bi on a un peu grossé cela à 10 mois pratiquement de la présidentielle Karim n'est toujours pas là wax bon peut-être que euh, le président Macky Sall il va utiliser de tous les rouages Je xamné ne euh, ak peut-être qu'il fera tout pour que Karim puisse revenir mais a autre chose euh, le parti démocratique sénégalais euh, dafa frustré également euh, si on prend l'exemple physique par exemple peut-être que écho comme quoi voilà le parti démocratique sénégalais Karim Wade Abdoulaye Wade un communiqué pour mettre fin à la récréation par exemple

beaucoup plus âgé que moi. Mm-hmm. waxtan len bo juboo man len non amul problème nagn def ni ñu jox ko moma gënon gënoon do deug ñun loolu lañ ñu yaré dañuy am sacrifice bu ñuy def dañu am une vision euh, un peu noble quand même jëppal derk la ñun ni ñuy démé ñun duñu dañuy waxtan déjà commencé nañ suñu waxtan bu yàgg ku ci nek xamna ki mi may wax ma naan bëgguma dévoiler yu nek kenn du ko wax mais ku ci ne xam na fan lay nekk. Hmm. man tey bu ma xëccoog yow sax ñu toog waxtaan consensus Ablaye Wade moo ne la famille la fraternité. Hmm. PDS daf ñu mooñ ci fraternité. Hmm. yow doo xëccoog man yow mi yaa ma gën a jeune. tey am na loo xam ne boo toogee man la kaay rak c'est la fraternité la famille loolu la paa bi bëgg toogal fii ma nekk sa gannaaw yow nga accepté na ma lay conseil jox ma sa nopp.

mais c'est ce différence peut-être pour Motarte et ñu voilà il ne se retrouvent pas dans la politique prochaine de Karim Wade par exemple ils disent que euh, Karim Wade euh, peut-être que ni bàyyam doon doxalee du bu ñëwee du mais mais mais c'est pas vous savez que André Malraux disait que la personnalité c'est ce qui fait que l'individu se distingue parmi ses semblables. Mhm. même deux vrais jumeaux. Mhm. n'ont pas forcément la même personnalité. Karim mënta nekk comme papa, mhm. mais xool Ablaye Wade nu muy def. Karim comme comme papa même si c'était de vrais jumeaux mhm. ils auront forcément des personnalités différentes mhm, mhm. bon enfin de vous êtes satisfaite le dites encore non mais en tout cas on va discuter hein. on a, une heure de temps on a une heure de temps mais autre chose également voilà donc fii je me fais des photos ben, voilà euh, bataille, euh, euh, c'est pour parler un peu du Parti démocratique sénégalais. Euh, voilà. Papsar, avec la complicité de Papsar, euh, on verra que tu fais partie de ces anciens du Parti démocratique sénégalais, M. Kalfa Jara. Euh, le professeur euh, Gisnaniko, également qui euh, dit maître Abdoulaye Wade lii cette photo ça date de de photo c'était le 1er janvier 1994. Waouh, c'était en 94. C'est ko colonne defal meilleur le général Moïse Sall. Hmm ci mhm. bataille ba ma la doon wax Maka s'il n'était pas le plus jeune il faisait partie des plus jeunes mi ngi nii mhm. policier bàyyi policier am ñëw sacrifié wu ànd ak Ablaye Wade mhm. général Moïse Sall Ablaye Wade jox ko benn kaan la la ñuy le général boo père ni PDS kuy le général mi qui nii kii qui Niang la kii nag coordonnateur panel politique éthique et morale Mon la Ablaye Wade dénk suñu yaay Viviane Wade Bocar Niang mi ngi nii man ah y a un nom tout beau comme ça. merci hein beaucoup Oui, oui, oui. Mais on vous voit voilà donc euh, euh, on va avancer un peu monsieur Diarra. ñu euh, bien sûr ça c'est Abdoulaye Faye. Hein, donc mu wax nga ni il fait partie de tes. Euh, Ablaye Faye ba dañ ma affecté ma ñëw ci wétam chance bi ma am ma jege ko. 96 hmm. 2001. Euh, l'une hmm. des cinq communes première commune bleue du Sénégal. Hmm. ci lañu ñu moi j'étais le président de commission éducation formation je crois que je vous ai montré l'ancienne carte de conseil bi ma yoron mom la mu jangal ñu lu bari ah. Hein. mu Ablaye Faye. oui jangal ñu lu bari yalla na yalla yërëm. amiin amiin tu sais le parti démocratique Sénégal limu ñak ci ay ténor dafa bari euh, parce que ñi il faisait l'exemple

peut-être euh, attendre le, le, le, le, mot du, du, euh, du grand, euh, même du père fondateur, Maître Abdoulaye Wad ou Karim Wad, pour que nous continuer cette action politique, parce qu'ils se sentent un peu délaissés, malgré qu'ils se sacrifient te bu ñu jëlee l' exemple de euh, président Ndiogu Malick Dieng ku na gis na li muy def ci parti bi euh, ndax cëram delloo nañ ko fii ci ci ci Guédiawaye euh, ça c'est des questions te moom benn exemple parmi tant d'autres par exemple. voilà xam nga Ndiogu Malick jàmbaar la comme tant d'autres autres par exemple yow yaa ngi may doog a gis. Hmm. man sama oto sax joxe naa ko ci parti bi bëgguma wax yooyu sax yaa ma hmm. man est-ce que vous avez dégg may dit xam. responsabilité parti bi. Mhm. CIS ba la carte est là. la mhm. carte de la CIS est là Je la dit. woon. Mhm. Macky Sall fii bi dit, bien on a besoin de toi. mais ku toll foofu war na dit am lu mu dit ci parti vous avez nag que day attends jaam day nangu dogal des fois da ngay tok ngay Ablaye wad ngiss la tu as la li ba Tu nga ñew yow mu jox la ko fekk yalla la def ci xol bi ak ci xel bi fort ci bopam Jam day nangu dogal man buma amulé dara dama kay baye ak borom bi. nangu mais cër bi cër bi aussi bi. surtout ci côté cër bi. wa mais cër mom la lay wax légui cër bi lool la lay wax dama ni day hmm. ne ni hmm. non Njogu malik ku ko xamul sax nga ah il a beaucoup fait. Hmm. comme tant d'autres comme tant d'autres wad des fois même dans ta propre maison dans ta propre maison mhm. da nga am say njaboot mhm. boo amee say njaboot di nga nekk say dans ta propre maison mhm. des fois nga def tay kenn def nga def ben spontanément defal kenn fay ka lenn lu nga xam ne ki nga xam gën na sonn sa dom fayoo ko bés bu da ngay tok par coup de tête rek nga yëkkati rek daal di xol kenn jox ko ben chèque may sama xol sét fekk dafa la raxasal dara wala mu defal la dara fekk am ku la defal heure bi jotaw kooku bu heure am nga defal ko te PDS Abdoulaye Wade daf ñu yéré famille en tout cas nous man sama exemple la xam jëppal Derklé ñun on a cette éducation. Hmm. ñun dañu am esprit dépassement bobu hmm. tey buñ ma buñ la woowee wax na la exemple. Hmm. bi Ablaye Faye euh, defoon na. buñ la woowee wax la diw lañ jox li baye nañ diw tan kay koy da nga wax ah non oui mais buñu waxtane yow ni la c'est la famille. la mm. fraternité. Mm. yow buñu joxe sarak sa rakk bàyyi la doo doo ñaxtu. déedéet Ablaye Wade mo ni nous sommes une famille. Mm. on est une famille on n'est pas une famille. cette famille politique là mo dem ba mujj Ablaye Wade affectivité dugg ci ñun xam nga tay bo yégué ben militant PDS dara jot na ko. Mm-hmm. ñu koy dawaloo dem. Mm-hmm. bu banex ñu dem bu savant ñu dem.

Hmm, ah, demain fera jour demain fera jour alors je rappelle il y a une TV autre question une autre question actualité politique Ousmane Sonko Macky comment est-ce que tu trouves le, champ politique oui bon peut-être que oui euh, parce que sinon parce qu'on a une heure de temps seulement hein, vraiment c'est appréciation comment est-ce que tu trouves le champ politique actuellement. Euh, bu buñ ci waxul lu jëm ci wàllum Karim Wade mais ñu wax donc euh, diggante président Macky Sall Ousmane Sonko wala sax président Macky Sall et l'opposition l'opposition dans sa euh, plus grande forme tay jii comment est-ce que tu trouves cette relation là le régime et l'opposition noko trouvé. wa légui bla loolu amna sank lo mo ma sama xel dellu si. Mhm. da nga waxoon Karim xam nga Karim ak Wade gis nga élection législative bi avancé bi opposition am au niveau de l'Assemblée. Hmm. mais Ablaye à Karim Wad, dañ ci rôle pour comment ça. si mais nous ñoo nangu les députés. investir député députés. PDS di na fi

ak nangute Abdou Karim Meïssa Wade moo yombal loolu hein. d'accord maintenant ñu ñëw ci. léegi yaa ngi wax opposition Sonko et cetera hmm. bon légui xam nga contexte politique bi Macky xam nga Macky Sall euh, dafa raté lu bari ah. ay oui si j'étais son conseiller du lay démé wala won Ablaye wad yéné wun ko won li quoi. Euh, dafa mujjee puso mu réer. oui mujjee hmm? puso oui. comme moom gis nga ni puso bi réer na ci ay loxoom. oui xam nga réer bi mooy lan. Hmm. xoolal cette tourmente politique là. oui cette tourmente politique bi. Hmm. c'est du jamais vu. c'est du jamais vu. c'est-à-dire tey jii tey moom am na. nu mais pourtant maître Wade moom lu ne daj na ko ci opposition Hein? oui attends maître Wade daj na lu nekk ci opposition. mooy lii rek comme son Sonko nii muy defee mais Ablaye Wade ak Sonko dañoo bokkul ba tey. ah parce que Ablaye Wade gis nga politique Ablaye Wade ak Senghor ba Ablaye ba Senghor Ablaye Wade naxee Senghor sengor di indi bon dama també ñu ko mayul. bien sûr daal indi ñu parti de contribution Ablaye Wade ni contribution Senghor da nga daan oui Ablaye yow toujours dama wax parti de contribution ba paré ngay opposé Ablaye Wade ni que s'opposer c'est contribuer. oui mm, mm. xam nga quand je te dis non c'est pas ça c'est comme ça tu te ressaisis. Mm-hmm. tu te corriges. Mm-hmm. Ablaye Wade ni que s'opposer c'est contribuer. Mm-hmm. Quelle est la différence avec Sonko tey comment est-ce qu'il s'oppose au régime de Macky Sall par exemple. bon xam nga Sonko Ablaye Sonko non honnêtement je l'adore bien mais il est très jeune. il est très jeune non hein? attends. oui oui il est très jeune. après quand il la opposé quand Senghor kañ la jël pouvoir il était déjà mûr. Mm. politiquement. Ah, en âge en âge politiquement. maturité yëpp politiquement comprendre. Sonko cursus boobu xam boo yàggee dox si aduna mhm. da ngay glaner un capital d'expérience bu énorme dëgg la Sonko dafa jóge c' est un cadre hein. Mhm. c' un cadre hein? mhm, mais jóge ne ñew rek politiquement démé ni quoi. fii Abdoulaye Wade dafa jaar parti socialiste. jaar fa mu jaar. 26 ans d'opposition opposition. oui Sonko dindi 26 ans ci âge ah waaw ci dess du bari. Eh oui mais xoolal loolu. donc Abdoulaye Wade ba pare and ak yeen kangam won ba pare am sëslaay. Abdoulaye Wade surtout ça.

Senghor am lu mu daan téye. bu de ñu xëcc ñu xëcc. Ablaye dana wax ñaari bu ñuy ki day dëgg la bu buum bi nga c'est pas c'est pas la première fois. Mm. et puis dialogue da réunir les conditions de dialogue. surtout ça. des fois savoir perdre pour gagner tu trouves que euh, le président Macky Sall amul c'est euh, euh, cette. souplesse non non non non hmm. bon c'est pas ça ensuite bon ni mhm. ensuite entourage y a des gens qui xam Macky bu ah d'accord Macky non bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr. alors donc euh, le euh, troisième mandat parce que l'actualité, euh, mhm. on a vu l'épisode avec Maître Wada, hein, avec le cas bloquant bon comme ko imposé aux Sénégalais les Sénégalais se sont levés pour dire non alors c'est au tour de de de Macky Sall de recevoir un peu ces putes de contestation. <laughs> est-ce ni même scénario la ñu bëgg a di dundaat. voilà voilà xam nga nag yàlla. malheureusement xam nga nag yàlla day àtte. dëgg la gis nga nit sam papa da doon wax saan buy dem tey dellu si lu woyof doy na ci. dëgg la su dee su ma la sànnee nga fayu ma. Mm. la lebal lu woyof. Mm, mm. xoolal du mu doon wax. on va le sortir au palais on va nangam on va nangam. c'est l'histoire c'est répété. Mm. et l'histoire se prête d'ironiser certains types hein. ah bon comme qui comme qui par exemple. Eh mi ngi nii déggoo man l'histoire a ironisé Macky Sall. te non dama koy génnee mu naan nangam troisième du fi am kenn du fi def gissou lu mu doon. Mhm, mhm, mhm. loolu mu waxone yow wax waxeet def ni def nii c'est la même c'est le même film. et sinon pire hein sinon pire. parce que Abdoulaye Wade était n'était pas compris c'est pourquoi lu gars yi mujj dem cette nouvelle génération mam ju dañoo juum maam baal ñoo dañoo juum voyez donc euh, vraiment. Euh, euh, voilà le problème. c'est déplorable c'est euh, déplorable tey lan nga gis ma war a l'issue heureuse pour que vraiment euh, je peux dire que tout cette euh, ce dialogue là bi nga xam ne tant prôné ñu mën a autour d'une table ah. xam nga man bu ma doon moom. Hmm. fàttali leen indépendance bi. Mhm. dinaa leen wax sénégalais sénégalaise. Mhm. ci discours am ba citoyen citoyen. Mhm. tey jii fête de l'indépendance la. man la yàlla jox réew mi waaye de dama leen di baalu àq. Mhm. moment de carême moment de koor parce que njit dafa metti mhm. sama yéné nak xeyna lu bare yéné mhm. na len lu reuy peut-être le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions des fois dans la réalisation day am ay le jafé travaux embouteillage donc xeyna niñ ko non défé duñu sonné non dañ ciy balu ak wax len nak jafé jafé amone ak dañuy je tends la main à tout le monde venez man wax naa leen li ngeen bëgg rek réew mi ñoo ma li réew mi bëgg gis réew mi ñu ngi révolté wu lu bari li réew mi rek ma réunir les conditions sortir bay réew mi parce que réew mi ci la dëkk samay sët ci lañ dëkk bëgguma bay réew mi Tu fu mënti dem fi lay man doon non lay waxé ay ma ko kon non lay waxé dama kay wax nga mm-hmm. tek condition de dialogue. Mm-hmm. xamni da ngay guen nga sortir par la grande. porte bien que defna ay ay erreurs yu bari mais sortir par la grande porte moy Karim Khalifa dañu guen mm-hmm. diw ak Sonko voter vous êtes sénégalais comme moi. ku rew mi fal yeen la. balu ñep ak daal di sénégalais yëpp ñu jóg wax leen ay la yow nit la. yonent bu ci nek yonent bu ci nek ay bu la yàlla baalulee ba mu dess sallallahu alaihi wasallam deug la yonent bu ci nek mën mhm. na am règlement de compte ak borom bi. ba mu dess sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam bala muy wax de yok borom bi. Mhm. borom bi ni ko waxal mu wax. ben bés yalla yàlla solal na ko ndaw ndax waxul won inshallah ya yaa may kon. kep kuy def ngay responsable ngay njiit ma commencer sama bop man nga mhm, mhm. xalat sa borom dal mhm. na defal leen defal ñu jam def jam ci rew senegal defal jam papa Abdoulaye Wade ak Karim sa Wade ñu falu nak ngeen falu de ñu fekk katal da ngeen bëgg fa yeen falu wat lay wax sax de waaw waaw bu soobe yalla mm. parce que ño gën ci rew mi eh dafa mel ba ngeen fi nekké tam ci ci le problème gënal gënoon mais tam coow lu bëri de wa mi xam nga àdduna mm-hmm. euh, Mhm. même le bon Dieu n'a pas satisfait tous les appétits en même temps. Mm, mm, mm. on est d'accord. même le bon Dieu n'a pas satisfait tous les appétits en même temps. Il mm-hmm. jii il faut faire bu Il faut faire 1 faire 90 pourquoi qui am man faut faire la.

tu ci Karim ngay en ah? communication malgré ko na. Euh, alors merci beaucoup et puis notre invité monsieur le professeur euh, Kalfa euh, Kalfa voilà recteur de l'université du panel politique éthique et morale responsable et fait partie des responsables politiques à Diopol Derkley voilà donc j'espère que le bien vrai que le temps imparti c'était trop peu pour que nous, nous mun ñu may lépp li nga rawatina ci pay ci biir parti démocratique sénégalais encore une fois dañ ko ñaanal mom suñu mam Abdoulaye Wade yalla may ko gudd fan ak wér gën a dëgëral euh, bon ñom nenañ Karim Meïssa Wade na gaaw ñëw voilà parce que Sénégal bi ñoko soxla c'est une demande sociale c'est ce qu'on dit aujourd'hui alors donc euh, espérons le voir un jour fii mu mun a bokk ci langue politique gi voilà mesdames et messieurs ça n'est tout pour votre émission euh, politique tour de table prochainement on aura un autre invité toujours on va parler politique au Sénégal merci beaucoup daa ngeen